bonjour. C'est avec un immense plaisir et de soi incommensable que s'approuve aujourd'hui en tant que président de l'association des élèves et étudiants Fulbe du département de Kungal. pour prononcer mon allocation envers vous, auguste assemblée, permettez-moi à l'entame de mes propos de vous remercier mes camarades élèves et étudiants Fulbe du département de Kungel. Au nom de cette association, nous tenons à exprimer nos remerciements intarissables à nos frères et sœurs qui nous, qui et sans qui nous ne serions pas retrouvés autour de cette association pour leur soutien, leur engagement et leur esprit fédérateur dont ils ont fait montrer pour la réussite de cette journée. Nous exprimons également notre gratitude et notre reconnaissance aux autorités locales et y parrains de la, de cérémonie, à l'occurrence M. Mamadou Diallo, natif de Sobel Djam Djam. Qui est à la fois un homme politique est très engagé pour la cause du Poulagou et à toutes les personnes qui ont dépéré ou de loin n'ont ménage aucun effort pour que cet événement réussisse et soit digne de son nom. Se profite de l'occasion pour lancer un appel solennel à l'endroit de mes, camarades de consiguer toutes nos forces pour une réussite totale dans nos études. Chers camarades, N'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes à l'ère où seule la compétence, l'excellence fait la différence, servent à départager les concurrents. Étudions bien alors pour faire partie parmi les plus distingués. Ne laissons nulle place libre dans nos esprits où les connaissances peuvent se loser. Prenons référence nos anciens de l'ACEF qui aujourd'hui sont des personnes très utiles pour la nation sénégalaise tout entière car étant des enseignants, des magistrats, des policiers, des professionnels de santé, des agents de développement, pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs, camarades, élèves, étudiants, le thème choisi cette année à l'occasion de cette rencontre est le patrimoine culturel qui se définit comme l'ensemble des biens matériels ou immatériels ayant une importante artistique et historique certaine et qui appartient à une entité, soit à une communauté. Le patrimoine matériel est surtout constitué des paysages construits, de l'architecture, de l'urbanisme, et de l'aménagement de l'espace agricole ou forestier, l'objet d'art, etc. Quant au patrimoine culturel immatériel, inclut les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, circonstances, entre autres. Les événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers et les savoir-faire liés à l'artisan traditionnel Serfulbe. Conserver alors nos valeurs culturelles, même l'ouverture à d'autres origines nous est utile pour reprendre le président Léopold Sédar Senghor qui prouvait l'arracinement, ensuite l'ouverture. Armons-nous les termes suivants min komi pullo Car, comme vous le savez, le langage reste le premier vecteur d'une ethnie. Ne soyons pas complexés. À cela, j'ajoute les soins de notre accoutrement qui doit être bâti sur un habillement décente et non transparente. Une personne sans culture est alors considérée comme un arbre sans fruit, d'après un proverbe africain. Mieux dira Edgar Morin, sociologue et philosophe français, l'homme est un être culturel par la nature parce qu'il est un être naturel par la culture. En nos mots, le respect de notre culture nous est très utile. Je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements les plus sincères à l'endroit de toutes les personnes qui, de Péret ou de loin, ont contribué autant pour moi, leur force et leur moi, pour la réussite remarquable de cette journée culturelle de la CEF. Merci de votre aimable attention. Vive le Poulagou. Vive les études. Vive la CEF. que la fête soit belle. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. On termine voilà voilà on la bandiraɓe he sehlaalaɓe onon fof faut et une inde association des élèves et étudiants fulɓe du département de Kungel et président oɗo ndeɗo Fede. avant tout miɗen jetta kala neɗɗo garɗo ɗo ha joni e nder yettugol den miɗen hen gardina monsieur mamadou diallo jiado sobel jam jam mo ganduda ko politicien mawɗo do e nder département mo kungel même au niveau national salmini on e inde ɗe arɓe ɗo fof kadi inde honorable divine fanta salla mi salmini on inde

premiére fois foro woni wasiyaji meɗen he ndeɗo ñalande premiére foro woni wasiyaji meɗen ko jaggude aada e cosan meɗen sa nani jaggude aada e cosan noon ko haalde ɗemngal muɗum kadi e farnorde kiltir muɗum ngannɗon hay gooɗo wurnanta neɗɗo kiltir muɗum ko neɗɗo ƴettota ɗemngal muɗum ngal farnora e ngal jangga ɗum heen ɗum noon mi salmini yo noon fof mi ɗon weltani ko yettude élewaaɓe département mo kungel en calminiiɓe fof kadi en njettiiɓe ngam ɓe ƴettude ndeeɗoo ñalaande teddunde ɓe teddinira en ndee ɗum noon en calminiiɓe en en weltaniimaɓe tan ɓe foro eɗen ɓe mbiya tan félicitation ngam e hoolaare mumen e confiance mumen bo ɓe njiyo e meeɗen haa ɓe ngokki en ngam ndeeɗoo ñalaande ɓe mbi ko enen ɓe ngardini nde en calminii ne délégation mo ngannduɗaa e foro eɗen e mumen ɗo gardi heɓe ganduɗa délégation en gayiɓe ɗo foro e wallidiniɓe mumen ɓe foo en calminiɓe ɗen ɓe mbiya félicitation kadi en calmini on ɗo ganduɗa ko guiɗo me arabe moƴƴi jande français moƴƴi jande foy moƴƴi jande pulari moƴƴi kono kala ko neɗɗo waɗata yo agriculture muɗum ɗum noon en calminiɓe foof kadi eɗen mbelto tan miɗo anndi en jumnata en no feewi en mbeeɗat ko way no monsieur sar kam ne yettinana enen seeɗa assalamu aleykum baniraɓe fulɓe sen xari seen dëkkandoo seen mbokk saar bu nekk ak pël yi dëkk ak pël yi seen nag pël la séeréer la mais buur la ak seen biir xam naa nag tey dama jéegal bu baax ci kàddu yi may jël nga kàddu boobu sóoraalewul te dañoo ne le nord na solo l'histoire ñun su la joxee kàddu dinaa yaakaar mais nag tey danañ am mbégte bu baax buñ ko jëlee euh, gërëm ñi nga xam ne ñoom lañ àndal yàgg nañ di dëkk ci dëkkin bu rafet entre séeréer ak pël kon su ma ñëwee ci seen li ngeen di ci cosaan te élèves di koy def yaakaar naa lool loolu dugg na ci éducation te éducation bi loolu la ci xaar dañuy delluwaat ci cosaan yi eh, jàng nga suñu langue te loolu lañ lekk sax di koy def ba léegi relais mu ngi nii di ci jàppale kon su ñu fekkee ci loolu eh, dañ ci sawar bu baax di leen di encouragé eh, di jaajëfal biram bu baax a baax aussi moom mi nga xam ne def na ci loxoom di ci jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñu ngi fi Ousmane Ba ak ñeneen ñoom Sidaat yi ñooñu yaakaar naa ay xarit yu yàgg yàgg lañ woon kon nag vraiment euh, aw ma dara lu may wax mu sant leen comme sant lañ itam tey dinaa sant honorable député Fanta Sall parce que su ma fi jëlee tamit itam yàlla ak moom la parce que peut-être su ma nekkul woon ci ginnaawam. mën na am sax li mën na xew mën na ko beneen invité koo xam ne feneen fan laay ñëwee pour fii kon su ma jëlee fii parole rek danaa ko ci sant bu baax a baax aussi ci loxoom bi mu def te xam ne bëggoon na teew aussi parce que xeebul bésu kenn amul kenn ku mu xeebul bésam xanaa kay xat-xat rek moo koy tax a guute affaire bi mais nag xelam ak ñaanam yëpp mu leen di gunge te yal nañ jaar di koy feete te maa ngi leen koy ñaan te suñ koy def na séeréer yi doon invité d'honneur waaw.